Nigérien, nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Et pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente L'artiste s'exprime. Une rubrique de l'émission Tous à la Fada consacrée à l'art et à ceux qui le pratiquent. Le slam, dans toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, c'est de cela qu'il s'agit avec un artiste slammer confirmé, qui a fait ses preuves, qui nous a émerveillés sur la scène et qui continue aussi à faire plaisir à travers des mots, des verbes, des vers, des rimes. Plaisir, je dis bien, à la jeunesse nigérienne. Aujourd'hui, sur cette rubrique, mesdames et messieurs, nous allons recevoir dans quelques fractions de secondes un artiste. Gentil, la machine te souhaite la bienvenue. Comment tu vas Tu pètes la forme le monde part en vrille et les hommes vaguent en goût. Là dehors, les jeunes filles ne chantent plus les nuits. Les semeurs de terreur font saigner la joie. Que des des âmes en agonie. Les enfants perdent leurs parents et des mères enterrent leurs progéniture. Dehors, ma terre gémit le chaos. Semeur de troubles, tu te gourres. Y a rien d'angélique en infligeant la peur, rien. Car tout comme toi, je pourrais s'aimer la terreur interdire au niage de voler, empêcher l'éclair de gronder, mais non. Je pourrais allumer ma rage, ôter le sourire de leur visage, punir les coupables et les complices de ces actes ignobles, mais non. Et moi, sur cette émission, je peux t'arrêter à tout moment pour avoir la suite après. Gentil la machine te souhaite une fois de plus la bienvenue sur cette émission. Ça fait plaisir la machine. Dis-moi que tu es en forme s'il te plaît. Très en forme. On va parler du slam aujourd'hui sur cette émission. Et tu es du tout chaton en slam, tu beats, tu rappes sur des beats, sur du reggae, sur un, peu du tout. Alors aujourd'hui sur cette émission, j'ai envie de te cuisiner un peu. Ça te cuisiner pour que les jeunes qui kiffent cette émission puissent n'est-ce pas, découvrir ou redécouvrir l'artiste gentil. Ça fait plaisir. On commencerait par quoi Décortiquer gentil. À l'état civil, c'est important pour permettre à tous tes fans, à tous qui aiment le slam, qui kiffent cette émission à travers nos radios partenaires, de se retrouver à travers Gentil. Gentil, qui est gentil Gentil, à l'état civil, c'est Moussa Mohamed Gentil Mohamed Bachir. Donc Gentil fait partie du nom gentil. Yeah, évidemment, et gentil fait partie du nom de gentil. Et gentil, c'est aussi le nom de l'artiste gentil. Évidemment, je préférais garder mon nom Bachir Gentil comme nom d'artiste, Ok. qui est déjà mon nom à l'état civil. Basso Gentil. Yeah. Sur cette émission, la machine et les humains qui sont de l'autre côté, la machine et les gens qui quittent cette émission ont envie de savoir quand est-ce que Gentil a commencé le slam au Niger. Alors Gentil, au Niger, a commencé le slam en 2012. Gentil a commencé en 2012. Évidemment. Ok. Évidemment, mais en, amont, il y avait eu des petits écrits. Ok. Mais proprement dit, mhm. la scène avait commencé en 2012. La scène en question pour Gentil avait commencé en 2012. Évidemment. Super. Alors Gentil sur cette émission. La machine est aussi gentille. Yeah. On est d'accord Évidemment. Tu vas nous parler de comment est-ce que tu vois le slam au Niger, le slam made in Niger. Alors, le slam made in Niger va bien. Ok. Il se porte à merveille. Il faut dire que à un moment, on ne connaissait que notre grand frère, Jonel Hamani. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a des nouveaux talents. Ok. Des talents sont nés. Il y a énormément de pointures, si je peux l'appeler ainsi. Ok. Et parmi ces pointures, je pense que le Niger est représenté sur le plan international et le plan national, on n'en parle pas. On voit aujourd'hui que la majorité des activités qui se passent ici à Niamey mhm. et même à l'intérieur, l'islam est toujours invité. Je dirais que l'islam va bien. L'islam va bien. Évidemment. Pour dire ou pour ne pas dire que l'islam va très bien. Évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu es un jeune islamère. Alors dis-moi gentil, est-ce que tu te retrouves à travers ce genre musical, toi, en tant que jeune, dans la chose Alors ce genre musical, je pense que c'est toute ma vie. C'est ta vie. C'est ma vie. Si je dis retrouver, c'est comme s'il y a une fraction en moi qui n'est pas d'accord. Ok. Alors pour moi, si je peux définir gentil, je dirais que gentil, c'est l'islam. Gentil, c'est l'islam. Parce que je me vois en miroir gentil sur le slam au masculin au Niger. Nous sommes d'accord avec toi. Et nous considérons que les jeunes qui kiffent cette émission ont euh, reçu un certain nombre d'informations sur ta personne. Uh-huh. Parce que la première partie de cette rubrique est justement consacrée à l'artiste, à l'état civil, la vie artistique de Gentil. Alors, nous sommes à la fin de cette première partie. Est-ce que Gentil a un mot à l'endroit des jeunes qui kiffent cette émission pour soutenir les artistes slameurs au Niger, pour soutenir l'artiste in Niger Alors, le seul mot que j'ai à dire, c'est les artistes slameurs nigériens produisent énormément d'œuvres. Ok. Alors, ces œuvres sont à la portée de tout un chacun. Ça veut dire sur Facebook, sur YouTube mhm. et sur. Euh, WhatsApp souvent. Mhm. Alors, ce que j'ai, la demande que j'ai, c'est d'inviter les gens à partir, télécharger, écouter et partager les œuvres des artistes slameurs et aussi de tous les artistes du Niger. Neno, la machine et l'équipe technique prend congé de vous. C'était donc l'artiste s'exprime. L'émission continue avec la Miss Rim. Rendez-vous demain à partir de 17h45. Donc, même heure, même fréquence pour parler du contenu de Gentil. Ce qu'il a déjà proposé, ce qu'il compte proposer. C'était donc